intéressé les Sénégalais ndax koo yëkkati moo euh, notre euh, doyen Alioune mom euh, mu melni comme di baylo xel ñi di régime en place bi parce que nee dañu juggé si ben état bu agressif mais dafa melni comme on assiste petit à petit si ben état bu pastéfien te lolu japp na ne nekkutoon réforme yi wala sax rupture bi nga xamné mom la Sénégalais yi du lon sentu si gouvernement bu bees bi comment vous vous analysez ces propos du doyen Alintune et selon vous euh, qu'est-ce qui a motivé euh, réflexion mu dem euh, si sens boobu Clédor mais lan est état hmm. Euh, de toute façon Pastef a gagné oui Pastef a gagné tous les partis politiques qui sont nés de l'indépendance jusqu'à présent Ni hmm. fi nekkoon yàgg fi en 2014 supplanté les ñoom donc, est-ce qu'il va gouverner avec ces gens-là Je ne crois pas. Mais il fait dans l'ouverture. On n'est pas dans un état pastéfien. Mm Abdourahman le professeur docteur Abdourahman Diouf, il n'est pas de pastef que je sache. Il est ministre. Il y a combien de ministres qui ne sont pas de pastef mm. Il y en a beaucoup. Docteur Cherdien, il est directeur de société, il n'est pas de pastef. Mhm. Mon ami Damboj, il n'est pas de pastef, il est directeur. Mhm il y a beaucoup d'alliés. Euh, Mariam Sordendiaï n'est pas de PASTEF. Mm. Et, beaucoup de gens. Donc, il n'y a pas d'État pastéfien, en fait. Mm-hmm. et, actuellement, mm-hmm. bon, réalité ministère, il y a des ministres qui se sont appuyés sur des communes de l'État. Mm. Des experts nous trouvaient sur place, ils les ont conservés. Mm. Nous, aussi mais donc, on n'est pas dans un état pastéfien, je, suis en train de te prouver. Parce que, mais je connais mais des ingénieurs, de, grands cadres, qui ne font même pas de politique. Mais qu'est-ce qu'il y a Et qui sont dans. Non, réflexion, réflexion Bobo, oui. Euh, je la comprends vraiment pas. Yo, yo, ça comprendre l'état pastéfien, ça veut dire quoi Parce que, pourquoi avoir un état APR mm. Parce que les hommes de Maki étaient au commandes, parce que c'est eux qui ont gagné. Mm. Mais ils gagné. Comment on peut le dénier au Sénégal, il faut qu'on sache raison garder. Et au ils gouverner. Ils vont gouverner avec qui S'ils ne gouvernent pas avec Pastef, ils vont gouverner avec qui C'est compliqué. Hein? <laughs> ils vont donner la primature à quelqu'un d'autre. Ils vont donner les affaires étrangères à qui En tout cas. Hein? Et puis Yassine Fall, est-ce qu'elle est de Pastef Je ne sais même pas je luma ma si leer moom. moo hmm. nekk bokkoon na ak ñoom seen coalition. Cheikh Diane Dieye est-ce qu'il est de pastif je sais pas si elle est de pastif Cheikh Diane Dieye n'est pas de pastif mais euh, Sénégal Sénégal bi ñu bëgg avenir Sénégal bi ñu bëgg. donc euh, euh, mais il faut qu'on revienne et puis même su fekkoon ni pastif mooy diriger. Hmm. mais c'est ñoom ñoo gagné. Hmm. mais ñoom ñoo gagné ils se sont battus avec le peuple cependant de 2021 à 2024 quel sacrifice ils n'ont pas subi Juan Branco il n'a jamais pu voir son client son client c'est ça la symbolique donc demain il y a un rassemblement au Grand Théâtre non. Mm-hmm. je te demandais tout à l'heure ce rassemblement était autorisé. Hein? est-ce que c'est autorisé oui mais il y a un changement il faut qu'on sache que nous gagnons, nous ñoo gouverner. donc état pastéfien, ça veut rien dire. Hmm. état pastéfien, ça veut rien dire c'est le Pastef qui a gagné. Mhm. avec ses alliés donc il gouverne avec ses alliés. chose qui mhm. est C'est tout à fait normal. Le mot euh, qu'est-ce Mais quand tu vas aux États-Unis, quand les républicains gagnent, mais ils changent toute l'administration. On parle de l'administration Bush l'administration Biden, l'administration Obama. Mais c'est comme ça que ça marche. Mes mm. Mais <laughs> c'est la même chose. Mm. Mhm c'est vrai mm. euh, mais Clédor am na keneen aussi ku yëkk ci ay kàddoom euh, jëmmale ko aussi euh, si gouvernement bu bees wala sax li nga xam ne ñoom loolu la système te kooku du kenn ku le député Guy marissa Sagna moom sur ses propos mu ngi wax ne li nga xam gouvernement certes changé mais le système mu ngi ba tey Clédor man finalement sans que ngi la koy wax man koy si ñoom lu ñuy ooyee li nga xam ne moo nekk euh, système waaw c'est que ñi incarné woon système bi. oui nguuru Macky oui ñu bëri ñu ngi encore dans les structures de l'administration. Mm. foofu lay oui euh, ñu bëri ñu ngi dans l'environnement de sécurité bëgguma sori ci sécurité. Mm. ñu bëri ñu ngi encore au cœur de la présidence de la présidence de la primature des ministères des agences des fonds parce que ministères ministère, dañu am ay fonds fonds Il y a des ko qui administrer des ñoo fi nekk Ils des largesses aux ministres pour être conservés. mais c'est des fonctionnaires de l'État du Sénégal non. c'est des gens que Macky Sall a mis là-bas comme dans les ambassades et partout. Mm. c'est des hommes de Macky Sall. c'est différent des technocrates commis de l'État qui font pas de politique Ni c'est des APR de Macky Sall. Donc, nous, nous fait encore. Mm. Donc, euh, Guy, il réclame qu'on nettoie plus vite. Parce que, euh, amna fo xamné bëgguma fa ag rek parce que lolu man kay dox ci souf mënuma ko wax ci kaw mais la gangrène elle est profonde parce que amna ño xamné vraiment dañ ciéb dañ ko wara tan bu mu set setagul quoi c'est ça qu'il dit c'est ça qu'il dit système nous on ngi ci biir donc euh, c'est compliqué est-ce que, faire Est-ce que problème Bob dafa nar a euh, assemblée nationale parce que ces informations le premier ministre euh, convoqué le bureau de l'assemblée nationale pour une commission ad hoc si aussi bataille problème fossé mais nous euh, avons boudé, Boublé invitation. Euh, L'ol manque je koy je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, vrai. mais si c'est vrai c'est une bonne chose parce que ça ne fera qu'accélérer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ah oui, tu veux qu'on dissolve l'Assemblée Oui, parce qu'elle n'est pas représentative de la volonté populaire parce que le régime que l'Assemblée incarnait majoritairement moins APR euh, nous avons une une majorité ñëpp gis c'est pas un détournement du suffrage parce qu'ils avaient 82 ans, nous avons trafiqué le ba am euh, et l'opposition réunie avec 83. Hmm. Après, nous dit Mimi Après, il y a eu des gens qui sont allés de leur côté. Le PDS notamment qui les soutient euh, à l'intérieur de l'hémicycle. Hmm. Euh, une partie de TAHOU aussi qui les soutient dans, les votes. ils se sont fabriqués une majorité au sein de leurs alliances parlementaires à l'Assemblée nationale. Hmm. Majorité, bien élection, Djokhoulenko. Les gens, vous font obstacle. Mais on dissout l'Assemblée nationale dès qu'il fera deux ans. Je crois que l'Assemblée aura deux ans au mois d'août, 31 juillet. Hmm. Donc à partir de août-septembre, mais dissolution solutions pour pour pour qui def qui euh, premier ministre de euh, li nga la déclaration euh, politique générale. non déclaration de politique générale Il ñu voilà Il on on va le faire avant le mois d'août quand même. Hmm. on va le faire peut être ce mois ci. Hmm. ce mois ci normalement on a une déclaration de politique générale C'est en préparation. donc voilà. Canada, euh, euh, qui dit euh, l'ancien ministre britannique